Je suis né Jules Souleymanba et mon nom d'artiste est Sen Souley. C'est celui que j'ai créé pour devenir celui que je suis aujourd'hui devant le public. Donc euh, un artiste euh, multidimensionnel qui joue aujourd'hui du reggae. Cet album s'appelle Rise and Shine et c'est sorti en décembre 2018 euh, sous le label Universal Records, qui est mon propre label que j'ai créé en 2012. Et cet album, Rise and Shine, je vais le présenter ici au Sénégal avec les morceaux euh, pas tous, mais quand même quelques morceaux de cet album-là, euh, qui a été euh, l'un des, enfin, parmi les 20 meilleurs albums reggae du monde par Reggaeville. Voilà. Cet album Rise and Shine euh, a 12 titres et euh, parmi ces titres, euh, nous avons Only Good Vibes qui parle un peu des bonnes vibrations, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et qu'on a envie d'être bien. Donc pas de stress, que personne ne nous stresse. Après toutes les difficultés de la vie qu'on rencontre, ben, qu'on ait euh, une journée où vraiment on est bien. Euh, on se sent bien. Donc euh, ça fait partie un peu des gros thèmes de cet album-là parce que j'ai toujours été un révolutionnaire qui parlait tout le temps du système, de l'Afrique, de tout ce qui est un peu défaillant, voilà, mais aussi euh, j'ai aussi parlé de l'amour dans ma carrière et, de, belles choses, mais pas autant que je l'ai fait avec euh, l'engagement euh, que j'ai toujours eu en tant qu'artiste engagé, artiste reggae, artiste hip-hop et tout, à l'époque et tout. Voilà. Donc, c'est des thèmes qui tournent autour du bien-être de l'individu dans la société mais aussi à d'autres titres comme African Rebel in a Babylon, qui parle aussi de l'immigration, euh, de l'immigré que je suis, qui est un exemple pour tous les immigrés du monde. Ben, je suis sénégalais, euh, j'ai grandi ici, euh, j'ai mangé le sable ici et je me suis roulé par terre avec tout le monde. Donc je connais très bien la galère, je connais euh, la faim, je connais vraiment les problèmes que peuvent rencontrer les Sénégalais. donc du coup, oui, le Sénégal est mon pays et je connais les réalités en tout cas pour, pour résumer en fait, oui. le 1er février 2020, ce sera mes 30 ans de carrière. Euh, donc 30 ans, j'ai l'habitude de dire, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 mois, c'est vraiment 30 années euh, de dur labeur, d'expérience, de haut et de bas, mais d'immense euh, satisfaction parce que là, j'ai envie de présenter ce que j'ai accumulé pendant toutes ces 30 ans, toutes ces 30 années de musique et j'ai envie de le présenter au Sénégal. C'est vraiment de la maturité musicalement, c'est de l'expérience et euh, j'ai bien envie de le faire découvrir et de le faire partager au public sénégalais. Donc il y aura un concert en live avec le Jamo Band, qui est un groupe excellent euh, africain. Euh, qui joue vraiment avec des grands noms sénégalais aussi et des grands noms africains. Et puis, il y aura aussi la participation euh, de tous euh, mes collègues euh, de l'ancienne école du hip-hop comme PBS, comme Aladjiman, comme Human, comme John comme voilà, Daddy Maki du VIB. Il y aura aussi euh, voilà, d'autres artistes aussi euh, de la nouvelle génération et de l'ancienne aussi. Il y a Rebelle euh, qui vit aux États-Unis, qui est une des fondations de la musique reggae ici au Sénégal. Et puis voilà, Trade Maxime, Ombre Jupiter Diop, Karazik, Mensa Julio, puis Afaya, des jeunes qui viennent de commencer. Il y aura mon fils Ibsen et mon autre fils Metzen qui va aussi faire euh, de la danse, qui est un, spectaculaire. Euh, voilà, on va tous découvrir un peu euh, tout, tout, ça le 1er février, qui sera le jour de mon anniversaire aussi. Donc il y aura un grand gâteau et je vais le partager en, 600 <laughs> morceaux pour distribuer à tout le monde en tout cas, pour que tout le monde soit content. quoi.

Euh, le Sénégal ne me voyait pas ici euh, sur scène parce que j'étais à l'extérieur, en Europe, en train de faire les scènes là-bas. Et donc, j'ai fait euh, vraiment beaucoup, beaucoup de grands festivals en Europe, dont le Rototom Suns Flash, qui est un des plus gros festivals reggae du monde. Et j'ai chanté avec Alpha Blondie, qui m'a donné le micro sur une chanson qui s'appelle Coco du Rock, Coco, di Rasta. Donc on l'a chanté ensemble. Il y avait 100 000 personnes devant nous qui chantaient Cocody Rock. Et euh, je pense que ça fait c'est un, c'est un, gros euh, événement pour ma carrière en tout cas. Et voilà. Mais par contre, euh, ceux qui suivaient, ceux qui me suivaient en tant qu'artiste dans les, dans les réseaux sociaux savent que ben, j'ai toujours été constant, que je n'ai jamais arrêté la musique. D'ailleurs, c'est ça que je fais, tout simplement, jusqu'à présent, en Europe, mais au Sénégal. la musique euh, reggae est appréciée, mais euh, d'une d'une <laughs> parce que vous voyez quand il y a Alpha Blondie qui vient le stade est rempli quand il y a Morgan Heritage qui vient je prends des exemples comme ça Sin hein, Paul qui vient les stades sont remplis il y a plus de 80 000 personnes qui viennent les Sénégalais ils adorent le reggae mais seulement les Sénégalais ils ont un complexe d'infériorité par rapport aux étrangers qui font du reggae et ils ont un problème de, de, respect par rapport aux artistes locaux. Il y a des gens qui, comme Drake Maxime, c'est des têtes, c'est des, des, des, des, icônes du reggae ici au Sénégal. Si on avait un Drake Maxime en Côte d'Ivoire, par exemple, ça aurait été, été <laughs> une personne euh, comme Alpha Blondie, tu vois. Mais au Sénégal, ils aiment bien dire, ouais, c'est un artiste local, euh, local, on le voit traîner dans les rues, donc voilà, ça m'intéresse pas trop euh, d'aller le voir en concert tout le temps et tout. C'est ça le défaut. Mais par contre, les Sénégalais, ils aiment le reggae, ils adhèrent même euh, dans les concerts reggae. Mais malheureusement, quand Sun Soleil ou Dread Maximum Rezaïen ou autre reggae, euh, reggae, reggae man, je peux appeler comme ça, fait un concert au stade, c'est un quart du stade qui sera rempli. Donc on a un problème là. C'est quoi c'est un problème euh, de complexe ou c'est un problème de respect pour les artistes Donc respectez vos artistes. Le reggae marche bien au Sénégal. Il faut juste donner de la force aux chanteurs reggae. Je suis très ouvert euh, euh, pour les featurings, euh, les combinaisons avec les artistes parce que j'ai l'habitude de dire tous les artistes sont mes amis. Et franchement, j'ai le, le, même feedback quand je rencontre Idrissa Diop qui me dit mais euh, on est fiers de toi, tu es notre ambassadeur et que vraiment tu fais du bon travail. Je viens de rencontrer Dembel Job, je viens de rencontrer euh, Awadi, les Degiti, ils sont tellement fiers. Il m'a appelé à la radio hier euh, pour me dire tu es un king, tu es une légende, etc. Je veux dire, les rapports que j'ai avec les artistes ont toujours été superbes. Et ce qu'il a forgé, c'est le respect que je donne aux, aux amis artistes. Et ils me le rendent. Donc je pense que le respect, est l'un des euh, principales bases de, rapport avec euh, les artistes. Et moi, je l'ai, et je pense qu'il me le donne aussi. Donc, euh, j'aimerais bien faire des featuring avec tout le monde. <laughs> pourquoi pas Pourquoi pas avec des Balarman, hein, tout, le monde. J'ai oui, oui, mais bien sûr avec Youssou N'Dour, avec Omar Penn, avec Babomal, j'ai déjà fait Soukonaïo ensemble avec lui. voilà, pourquoi pas Faloudien ou Pape que j'aime bien. Voilà, c'est un bon projet. Merci Dakar Actu. Baba Mal di modom dom ini Yang bo Yana sa dom dom dom Sa dom sa dom